Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au rendez-vous hebdomadaire du studio Kalangu, le forum de la presse. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour de l'organisation du Hajj 2022. Un quota de 7194 pèlerins a été octroyé au Niger par le Royaume d'Arabie saoudite sous le million de pèlerins autorisés à effectuer le Hajj 2022. À suivre également dans ce forum l'analyse de nos confrères sur le remaniement technique du gouvernement intervenu le 23 avril 2022. Deux personnalités de l'opposition du Front patriotique nigérien font leur entrée dans le gouvernement. Ensuite, nous parlerons aussi du vote des députés nationaux en faveur du redéploiement des forces étrangères au Niger dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et enfin, du sport pour parler de cette sortie médiatique de l'Association des supporters du Niger pour réagir face à la gestion de l'équipe nationale de football. Ils veulent le rattachement à la présidence de la République. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Ousmane Sidiko, journaliste indépendant. Bonsoir Ousmane. Bonsoir. Arimi Abakari, journaliste à la radio alternative. Bonsoir Arimi. Bonsoir Fatih. Et Maimoun Giado, journaliste indépendante. Bonsoir Maimouna. Bonsoir Fatih. À la présentation, je suis Fatih Zakari. Cette année, le Hajj va se tenir en présence des étrangers hors du territoire saoudien après deux de pauses dues à la pandémie de la COVID-19. Ainsi, les quotas des différents pays ont été ramenés entre 30 et 50 dans un point de presse animé le vendredi dernier, le commissaire au Hajj a indiqué qu'un million de fidèles sont autorisés à faire le, le rite de Hajj 2022 et le quota du Niger est de 7194 pèlerins. Alors, je commence par euh, Maimouna Gado. Maimouna, quelle appréciation faites-vous euh, du nombre de quotas octroyés au Niger par le Royaume d'Arabie Saoudite euh, D'abord, Fatih, bonsoir. En fait, je voudrais commencer tout d'abord par situer dans le contexte dans lequel euh, deux ans, en tout cas, les pèlerins nigériens n'ont pas pu effectuer le Hajj euh, dû à cette pandémie de Covid-19. Donc, je me réjouis les pèlerins nigériens puissent, en tout cas, pourront effectuer dans quelques mois euh, le, le Hajj de cette année. Donc c'est déjà une avancée. Et pour ce qui est du quota qui a été attribué au Niger, euh, c'est également une euh, très bonne chose. C'est un quota en tout cas acceptable. Euh, parce que par le passé, je ne sais pas si il y a eu 7000 Nigériens qui, qui, ont pu effectuer le hein, au niveau donc de la Mecque. Je me dis que c'est déjà bon. Mhm. Et maintenant, ce qui reste à faire, c'est que euh, qu'on souhaite euh, que ça se passe dans les très bonnes conditions parce que ici c'est pas en fait le quota qu'on donne, mais c'est les préparatifs, comment ça va se passer. Parce que il y a eu des agences aujourd'hui qui ont été affectées par cette situation de Covid-19. Comment est-ce que ces agences-là euh, vont accompagner ces pèlerins C'est ça aussi la grosse question qu'il faut se poser mm-hmm. en termes de restauration, en termes de tout parce que nous avons suivi pas mal de, critiques hein, par rapport euh, à cette situation quand les pèlerins se retrouvent à la Mecque, mhm. surtout les pèlerins nigériens, il y a trop, il y a trop de zizanie, il y a trop de problèmes qui entourent euh, le déplacement de ces pèlerins-là et surtout la restauration. J'espère, j'espère hein, qu'ils ne seront pas déçus, qu'il y aura les conditions requises euh, les conditions requises en tout cas pour euh, <clears throat> acheminer ces 7000 pèlerins et mm-hmm. que on pourra, on pourra atteindre le quota. C'est ça aussi. Mm-hmm. Avec cette situation <laughs> économique, il faut <laughs> d'abord espérer atteindre le quota qu'on nous a donné. Mm-hmm. C'est du coup, Ousmane. 7194 pèlerins hein, sur le quota octroyé euh, au Niger par l'Arabie saoudite. Alors, quelle appréciation faites-vous de ce quota <clears throat> Eh bien, bonsoir madame. Euh, dans un premier temps, euh, je joindrai ma voix à celle de Maimouna, mhm. euh, c'est celle de se réjouir qu'après deux années d'interruption due à la pandémie de Covid, mhm. que ces activités puissent reprendre dans ce sens-là à travers l'accomplissement d'un des cinq piliers de l'islam qu'est le Hajj. Moi, je ne veux pas beaucoup plus m'apesantir mhm. sur le quota. C'est peut-être les agences euh, en corrélation avec euh, le commissariat mhm. de voir comment le dispatching sera fait. Mhm. Mais c'est d'interpeller ces différentes agences-là, de vraiment mettre tout le professionnalisme, tout le sérieux mhm. euh, pour que ces pèlerins-là, du début pendant et après puissent vraiment accomplir dans les conditions les meilleures ce euh, rite religieux. Parce que bien avant l'interruption, euh, c'était les gens qu'à chaque retour, bien avant que les échos nous parvenaient, comme quoi euh, voilà, si c'est pas tantôt l'hébergement, mmh, l'accueil, la, restauration, bref, euh, autant d'impairs euh, qui ont pu être corrélés à l'organisation de ce Hajj. Mmh. Vivement que ces différentes agences-là mmh. vraiment se ressaisissent afin de mettre ces pèlerins qui, pour la plupart, beaucoup viennent surtout de l'intérieur et avant même le départ, c'est-à-dire vraiment, ils sont épuisés financièrement, c'est des trucs de dernière minute, ceci, cela. Moi, je je pense qu'il faudrait leur épargner tout cela pour que effectivement euh, ils sentent que véritablement qu'ils ne regrettent pas in mhm. fine d'avoir euh, porté leur choix sur telle ou telle agence. Vraiment, c'est de les interpeller mhm. à mettre tout le professionnalisme requis, tout le sérieux mhm. euh, pour que vraiment ces, ces, pèlerins puissent accomplir leurs devoirs religieux, qu'ils se disent que au-delà de l'aspect pécuniaire, c'est vraiment un devoir religieux qu'elles auraient, auraient accompli, ces agences. Donc, on ne peut que leur souhaiter un Hajj Mabroul. C'est mhm. sûr que deux ans d'interruption, le temps que ça prenne, euh, donc euh, elles auront vraiment à faire face à des situations imprévisibles, mais vivement que tout soit vraiment mené mhm. et de main de maître euh, et que les pèlerins, tout comme ces agences-là, chacun puisse se retrouver et d'avoir vraiment mené mhm. à bien le rôle à lui dévolu vous pouvez compléter sur ce que vient de dire oui, Oui, tout d'abord, euh, j'ai vu la disparition d'un des promoteurs d'une agence, mm monsieur l'ANPO, l'une des plus vieilles euh, agences. Mhm. Voilà, donc euh, je leur adresse à sa famille et à mhm. ses collègues de travail vraiment mes condoléances. ceci étant, peut-être que je veux mettre <coughs> pardon, la charrue avant les bœufs. Mm-hmm. Euh, parce que, sincèrement, après les deux années passées sans pour autant effectuer le Hajj, euh, au vu de tous les problèmes que le Niger a connus par rapport à l'organisation de ce rite, mm-hmm. euh, je m'attendais quand même à du déballages n'est-ce pas Parce que les deux ans que les gens n'ont pas, pendant lesquels les gens n'ont pas effectué les déplacements, ils ont quand même payé. Et je me suis dit, connaissant ces agences-là, on pourrait être euh, on pourrait, on pourrait, on pourrait se confronter à un problème vraiment de détournement des, fonds, des trucs. Mhm. Je n'ai pas entendu parler. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Donc, toutes mes félicitations euh, à l'agence, euh, aux agences et au COHO. donc ça, c'est une très bonne chose et je crois qu'on doit pouvoir s'y prendre même quand on est surpris par une maladie justement qu'on n'oublie pas que l'argent que les gens versent là, c'est pour eux, mhm. tant qu'ils n'effectuent pas le, déplacement. Maintenant, euh, au vu des deux ans justement passés sans pour, euh, pour autant effectuer ce déplacement, je m'attendais à un peu plus parce qu'en moyenne, les Nigériens partaient à 6 000 au moins, n'est-ce pas Donc cette année, bon, le quota va jusqu'à 7 100. Mhm. Mais bon, j'ai trouvé que est-ce que tout le monde qui a déjà donné son argent depuis un an, depuis deux ans, euh, est-ce qu'ils vont pouvoir effectuer leur déplacement Bon, peut-être aussi qu'il n'y a pas beaucoup de, <coughs> candidats, vu le coût qui est quand même euh, assez élevé. Euh, ça tournerait autour de 2 millions 4. 2 millions 4, c'est vraiment énorme. Et notre religion dit, avant de partir, il faut être sûr de laisser presque autant mhm. à la maison parce que les enfants, la famille doivent être vraiment dans les conditions euh, avant votre retour et même après, ça ne doit pas impacter vraiment votre activité quotidienne. Mhm. Donc, euh, si tout ça vraiment est respecté, moi je pense que c'est une très bonne chose. On ne peut que souhaiter vraiment euh, un bon rage à tous nos compatriotes qui vont, qui vont effectuer le déplacement. Et bon, que Dieu nous mette derrière eux, parce que moi, je n'ai pas encore effectué le rage <laughs> Alors, Arimia, c'est le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah euh, au, au cours euh, donc euh, d'un point de presse annoncé que les, les agences impactées par la crise de la COVID-19 bénéficieront d'une prolongation de deux ans d'exercice gratuitement et à titre exceptionnel. Pensez-vous que cela peut être un offre de soulagement Oui, bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils payent euh, pour tout ça, mais c'est une très bonne chose. Ça fait partie normalement des mesures euh, d'accompagnement euh, mhm. pour avoir connu vraiment ces moments difficiles. Eux particulièrement ont été carrément affectés parce que leur activité a été gelée. Mhm. Et donc, oui, Or, ils ont dû faire face euh, au personnel, ils ont euh, dû faire face euh, au local, vraiment plein de choses qu'ils ont continué à payer, n'est-ce pas Donc, je pense que c'est une très bonne chose et ça doit être de cette manière-là, ça doit se faire de cette manière pour tout, autre secteur, pour tout autre secteur affecté par cette crise, par cette pandémie. les gens doivent penser parce que c'est la seule manière de relancer une euh, économie. C'est la seule manière de euh, pouvoir maintenir des activités, parce que ça peut arriver à tout le monde. Et c'est le rôle de l'État, c'est le rôle vraiment des autorités mhm. de réagir de cette manière. Ce n'est pas une faveur, mhm. euh, mais c'est vraiment ils ont juste assumé leurs responsabilités. C'est une très bonne chose. Mais après deux années consécutives de pause, est-ce une chance pour les musulmans d'effectuer le Hajj cette année Mais bien sûr, c'est une chance pour les musulmans d'effectuer le Hajj cette année parce qu'il y en a d'autres qui ont déjà payé, ça fait plus de deux ans. Mhm. Est-ce que ces gens-là, il y a d'autres qui, ont, qui nous ont quittés sans mhm. pouvoir euh, <laughs> effectuer le Hajj Donc je me dis que c'est une réjouissance en tout mhm. cas pour toute la communauté, la islamique du Niger, pour que euh, vraiment euh, le Hajj, la possibilité qu'on nous donne aujourd'hui et qu'on donne à ces, gens euh, qui veulent aller en pèlerinage, on leur donne aujourd'hui la possibilité mhm. d'aller à la rencontre de Dieu. à la wa Donc je me dis que vraiment c'est exceptionnel mhm. et c'est bien. Et on ne peut que les encourager, féliciter et tous ceux qui ont dû concourir en tout cas pour qu'on arrive à ce stade-là et pour qu'on mette euh, déjà derrière nous cette pandémie de Covid-19 qui nous a paralysé euh, paralysés durant deux ans. Donc c'est vraiment bien, c'est vraiment, il faut vraiment euh, saluer l'effort qui a été fait de par les partenaires et les agences également. Mm-hmm. C'est ça. Nous allons à présent observer une petite pause avant de continuer ce forum de la presse. Passons au second sujet de ce forum de la presse. Le président de la République a procédé le samedi 23 avril 2022 à un remaniement technique du gouvernement. Ainsi, Ibrahim Yakuba est nommé ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables. Mohamed Sani Mahamadou, ministre du Pétrole, et professeur Ibrahim Natatou, ministre de l'Éducation nationale, et Mahamadou Lawali Dendano devient ministre de la Communication et des Relations avec les institutions. Armi Abachari, quel commentaire faites-vous de ce remaniement technique du gouvernement? Bah, écoutez, on s'attendait tous, mhm. mais on ne s'attendait peut-être pas euh, de si tôt. Mhm. <coughs> Parce que dès que le parti Kishinkasa a quitté euh, euh, l'opposition, n'est-ce pas, on était sûr, parce que tout est basé sur le partage chez nous, n'est-ce pas, tant que vous êtes de la mouvance mhm. et que vous pouvez vous prévaloir d'un certain nombre de députés, n'est-ce pas, vous <coughs> excusez-moi, vous devez euh, figurer au gouvernement. Et donc, euh, euh, le président Bazou Mohamed s'est débrouillé pour leur faire la place, mm-hmm. n'est-ce pas, en cassant le ministère de l'énergie et des, mines, c'est ça Voilà. Voilà, et du pétrole, n'est-ce pas, pour faire un peu de place à Yakuba, qui est le leader de, cette, de ce parti, mm-hmm. et à son camarade de parti d'Andono. Mm-hmm. Et il a aussi profité pour changer, euh, en fait, pour remplacer le ministre euh, de l'Éducation, n'est-ce pas, qui est interpellé vraiment au niveau de la prison civile de, de Colo, mhm. n'est-ce pas Et puis voilà. Donc c'est tout ce qui a été fait en, principe. Et je crois que peut-être que Yacouba s'attendait à un peu plus mhm. de, de, de, ministres, mais il a quand même, lui, il est passé directement ministre d'État, euh, le deuxième qui est dans le gouvernement, à part M. Rissaboula qui est à la présidence. Mhm. Donc voilà, c'est le partage qui se poursuit mhm. et c'est pourquoi chaque fois qu'un parti politique effectue le déplacement, on dit non, c'est la politique du, ventre, c'est des intestins fragiles et tout, parce que euh, généralement, non seulement euh, on donne les ministres, mais aussi c'est les leaders, les premiers responsables de ces partis-là qui, qui deviennent euh, ministres. Mm-hmm. Bon, euh, il n'y a pas de surprise en la matière. Mm-hmm. Et moi, je m'attendais à ce que ça se passe vraiment de cette manière. Mm-hmm. Voilà quel commentaire faites-vous de ce remaniement technique du gouvernement Bon, le commentaire, il est tout simple, <laughs> hein, madame. Oui. l'a si bien dit, c'est le partage euh, du gâteau Niger. Parce que euh, pour beaucoup d'analystes politiques, euh, franchement, depuis que cette formation politique du MPN a annoncé mhm. son retrait, on s'attendait à une recomposition du paysage politique. Euh, la première euh, des actions, c'est vraiment, euh, on l'avait vu à travers leur déclaration de, de leurs députés à l'Assemblée, mm-hmm. ils ont quitté l'opposition pour rejoindre la majorité. Maintenant, ils ont intégré la nouvelle équipe gouvernementale à mm-hmm. travers les strapontins à eux donnés. Maintenant, c'est aussi ce qu'ils attendaient, est-ce que quelque part la montagne n'a pas accouché d'une souris C'est vrai, il a été coopté ministre d'État, mais puisque les gens ou bien ces politiciens raisonnent en termes de dividendes, est-ce que c'est un gros, c'est juteux pour lui euh, ou est Mais mm-hmm. toujours est-il que euh, pour beaucoup, au regard même d'un certain nombre de faits qu'ils ont eu à poser, c'était prévisible. On ne peut que déplorer. C'est leur décision. On, on va l'apprécier à sa juste valeur, mais est-ce que faudrait-il que euh, tout politicien que vous soyez, vous craignez de bourlinguer dans une majorité à, l'opposition parce que là-bas, il n'y a rien à se mettre sous la dent. C'est là où même les interrogations fusent, à savoir est-ce que véritablement euh, c'est pour œuvrer pour le développement de ces pays, mm-hmm. est-ce que c'est pas pour leur intérêt propre personnel et mesquin pour beaucoup. Donc, euh, vraiment, prions que les faits nous donnent tort. Mm-hmm. Sinon, une bonne chose pour notre démocratie, la question reste posée. Mhm. Euh, l'un de l'autre, ils sont partis, même si beaucoup de leur rétorque, aucune main ne leur a été <laughs> tendue, ceux mhm. qui ont cherché vaillamment cette main-là. Mais donc, <laughs> <laughs> et que c'est des défis sécuritaires, des défis, les défis n'ont jamais manqué dans ce pays-là. Mais, halas, comme dirait l'autre, prions, prions que Dieu lui continue à veiller sur le Niger et que vraiment ces politiciens, tout bord confondus là, se disent que euh, l'intérêt général euh, doit prévaloir mhm. sur leur propre intérêt et qu'ils euh, se doivent vraiment de l'avoir constamment à l'esprit. Le gâteau Niger a assez souffert mhm. de tels actes là, une finesse que y aura quelque chose même à donner, mm-hmm. même s'il a lieu qu'il continue, et qu'il persévère dans ce partage mm-hmm. euh, du gâteau Niger. <laughs> Oui, bon, je ne peux que dire, je ne peux pas dire plus que ce que mes deux confrères ont dit, mais ce que je suis sûr que si réellement les partis politiques, euh, les patrons de ces partis politiques euh, qui quittent l'opposition pour la majorité et négocient un poste ministériel, ça, c'est vraiment le partage du gâteau. Mhm. Et comprenant euh, la situation de Ibrahim Yacoubou, je pense que lui, il a, il a quand même, c'est pas, c'est pas rien ce qu'on lui a proposé quand même, ministre d'État, parce que je suis sûr que il y a beaucoup de ministres aujourd'hui qui sont en train de se grincer les dents. Mhm. Ministre d'État pour euh, quelqu'un qui a six députés, qui a rejoint le, tardivement, <laughs> le, parti au pouvoir, alors qu'il y a d'autres euh, partis politiques euh, qui se retrouvent avec cette députés qui n'ont pas la chance aujourd'hui d'être ministre d'État. Ils ne se sont pas présentés aux élections euh, présidentielles. Aux, élections, <laughs> voilà. Donc, il y a tous ces paramètres-là. C'est vrai, c'est vrai que d'un côté, ça choque. Hein, d'un côté, ils sont là, ils, se taisent. Mais nous savons que ça choque d'un côté, qu'on parachute quelqu'un qui a pris en cours le bateau euh, ministre d'État. Mais bon, comme euh, les, les comme ont bien dit, c'est le partage du gâteau. Mais ce que moi je déplore, pourquoi est-ce qu'à chaque fois, c'est les patrons de ces partis politiques qui se proposent en tant que ministre, mhm. alors que vous avez des militants de taille quand même qui, vous ont accompagné, qui peuvent être à la place où vous êtes. Qui ont le profil. Qui ont, le, profil. Aujourd'hui, on peut œuvrer pour le développement du pays sans être euh, au niveau donc, du gouvernement, sans être ministre. Arimé Abachari, à quoi euh, faut-il s'attendre dans les prochains jours euh, quand on commence déjà à scinder les ministères Oui, vous voyez, on est à un an mhm. du régime, mhm. ou, <coughs> je ne sais pas, de la présidence du, président Bazoum. Mhm déjà, on sait qu'un gros morceau la rejoint. C'est ce à quoi il faut s'attendre. Parce que lui euh, continue à tendre sa main. En tout cas, même si c'est théoriquement, même si ce n'est pas euh, destiné à quelqu'un de précis. Et euh, on se connaît avec nos politiciens. il semble que quand tu as déjà fait le gouvernement mhm. ou quand tu as déjà mangé à la mangeoire que c'est extrêmement difficile de rester euh, de l'autre côté. or, souvent, les gens n'ont pas de conviction politique euh, en tant que telle. Euh, la dernière fois, on en a parlé d'idéologie. De, d'idéologie. Mhm. les gens ne sont ni à gauche ni à droite. C'est vraiment, ils sont du côté où le vent tourne. <laughs> et donc, et on a vu que de plus en plus, à une certaine époque, c'est un seul parti qui était crédité de ne jamais faire euh, l'opposition. Mhm. Aujourd'hui, ils sont nombreux à ne jamais accepter euh, d'être du côté de, l'opposition, dont y compris vraiment euh, le grand baobab mhm. qu'on appelle le MNSD. Mhm. On a vu, ils étaient même deuxièmes, n'est-ce pas, aux élections, avec déjà le président Issoufou n'est-ce pas, qu'ils étaient censés être euh, carrément le leader de l'opposition, mm-hmm. mais ils ont, voilà, un vrai contre-pouvoir, mais ils ont décidé euh, de se ranger, d'accompagner. Et donc, euh, voilà. <laughs> et nous, on sait que, que ce soit à l'opposition ou du côté de la majorité, normalement, on peut aider le pays à avancer. Mm-hmm. Justement, le rôle de l'opposition, l'opposition n'est pas inutile. C'est même très utile. Surtout que le travail fait par l'opposition, je peux dire entre guillemets que c'est volontaire, mm-hmm. n'est-ce pas, parce que c'est pas payé. Donc c'est à partir de l'opposition aussi, on peut rester, exercer son rôle vraiment d'opposant et apporter quelque chose au bien-être des citoyens de ce pays. Donc que quelqu'un nous dise non, c'est pour contribuer au développement de ce pays, tout ça, je pense que ce n'est pas très fondé. Ah, il y en a, aura d'autres ministères malheureusement qui seront scindés. Ou bien des directions qui risqueraient d'être oui, érigées en ministère même. Avant donc d'entamer la dernière partie de ce forum, nous allons donc euh, suivre une petite pause. passons à présent au troisième euh, sujet du forum euh, de la presse. Euh, la séance plénière de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2022 de ce vendredi 22 avril 2022 a été consacrée à l'examen et le vote du test modifiant et complétant l'axe 1 de la déclaration de politique générale du gouvernement. Il s'est agi du redéploiement des forces étrangères Barkhane et Takuba sur le territoire euh, du Niger. Les parlementaires ont donc euh, favorablement voté la demande du gouvernement avec 131 euh, voix pour et 31 contre. Alors, Ousmane coup. Quelle réaction face au choix des députés donnant l'autorisation de redéployer les forces Barkhane et Takuba sur le territoire nigérien <laughs> Merci madame. Mm-hmm. La première des réactions, vous me rappelez aussitôt sur votre euh, fait, un confrère malien m'a appelé, il me dit, mm-hmm. ben écoutez, vous là, euh, à cette allure-là, mm-hmm. vous tendez à être notre dépotoir. Je lui ai dit, ça veut dire quoi Il dit, ben tout ce que nous refusons, vous, vous les acceptez. <laughs> ça veut tout dire. Donc c'est avec, euh, je ne dirais pas stupéfaction, puisque les gens s'y attendaient, même si de l'autre côté, on a voulu faire croire que non, il n'en serait pas question. Ils ont, à travers des jeux de mots savants, mhm. voulu amuser la galerie, mais le vote euh, récemment fait euh, démontre à suffisance que tout ça Vraiment, c'était de la diversion que réellement ces forces-là allaient être redéployées mhm. envers et contre tous, c'est-à-dire malgré la grande majorité qui n'y qui s'y opposait et qui n'y voyait pas en quoi ce redéploiement-là pourrait être une plus-value dans le cadre de la mhm. sécurisation mhm. des personnes et de leurs biens, surtout au regard des énormes défis sécuritaires dont le Niger fait face, à l'instar des autres pays, mhm. notamment la zone des trois frontières, madame. Donc, euh, il ne faut pas trop rêver. Euh, maintenant, le vote a été fait. Mhm. Euh, aux députés qui ont voté de répondre certainement mhm. de leurs actes, Toujours est-il que le tribunal de l'histoire, lui, il est là et il ne manquera pas au moment opportun de sanctionner. Si tant est que ce redéploiement-là va contribuer à la résolution ou bien à un début de solution de sécurisation des personnes et de leurs biens dans les zones durablement affectées par cette crise sécuritaire, c'est à mieux, mais euh, ce qui fait ce qui fait peser beaucoup même euh, de soupçons, d'appréhension quant à cette capacité, d'où est-ce qu'ils venaient. Ils n'ont pas pu on ne voit pas par quelle osmose euh, ce redoublement là hein, mhm. pourrait euh, vraiment euh, aboutir ou bien donner les résultats escomptés. Mais nous n'allons pas mettre la charrue devant les bœufs, mhm. nous n'allons pas jouer les oiseaux de mauvaise mhm. augure, nous allons attendre, nous allons continuer à observer, et vivement que les résultats nous donnent tort et nous clouer le bec quant aux appréhensions liées à ce redéploiement de ces forces de de mm, Barkhane et de Takuba Attendons de voir, euh, comme disent les, Britanniques, British, wait and see. quelle réaction <laughs> La réaction, Sidikou l'a déjà tout dit. Hein? Euh, je rejoins Sidikou mhm. par rapport euh, justement à ce redéploiement des forces Barkhane. C'est Barkhane, c'est ça, non je me dis que, bon, déjà, c'est l'Assemblée nationale, tout le monde savait que l'Assemblée nationale allait, allait mhm. mettre la main là-dessus allait, ça allait passer comme une lettre à la poste. Ça, les Nigériens le savaient déjà. Et on savait déjà la position ici de l'opposition, parce que l'opposition avait décrié cette situation l'avant-veille, mhm. euh, justement, de ce vote quand vous avez la majorité, quand un gouvernement a la majorité à l'Assemblée nationale, mais toute loi que le gouvernement veut qu'on mette la main <laughs> sur ça passera facilement, mhm. certainement. Mais moi, je me dis que si c'était à remettre en référendum, <laughs> ça n'allait pas passer. Parce que les Nigériens, il y a dans la majorité, la majorité, en tout cas quasi majorité des Nigériens, mhm. sont vraiment euh, euh, ne sont pas, ils sont hostiles à ce redéploiement. Euh, le président de la République, quand on regarde ce qu'il dit, ce qu'il pose comme acte aussi, les Nigériens se posent des questions. Il avait tantôt, euh, il avait, il avait rassuré les Nigériens par ses propos que le Niger n'a pas besoin d'hommes, mais le Nigérien n'a pas besoin de bases étrangères. Mais le Nigérien, les Niger a besoin surtout qu'on l'épaule en équipement sophistiqué pour faire face au terrorisme. Donc, euh, aujourd'hui, on voit que c'est le contraire. C'est le redéploiement. C'est les, les, troupes Barkhane qui ont été refoulées au Mali reviennent ici au Niger. Mais est-ce qu'il y aura un grand changement Est-ce qu'aujourd'hui, ce redéploiement va favoriser, en tout cas, qu'il y ait des résultats sur le terrain je je peux pas dire je pense pas où je vais, c'est trop tôt en tout mhm. cas pour euh, mm, apprécier les choses. Mais si du fait qu'ils ont passé plus de combien euh, d'années au niveau donc euh, du Mali mhm, mhm. et qu'il n'y a pas eu assez de résultats, en tout cas favorables, peut-être que ils peuvent, comme ils savent que déjà les Africains en tout cas, le Burkina Faso, le Niger et le Mali sont hostiles mhm. à ce qu'ils sont en train de faire. Peut-être qu'il y aura un petit changement. Un petit changement peut-être, je dis bien. Mais euh, soyons sûrs que nous, en tant que Nigériens, en tout cas, nous sommes aux aguets et nous allons essayer de comprendre cette situation. Euh, on ne va pas trop nous étaler pour dire que nous sommes des oiseaux de mauvaise mhm. augure, comme l'a dit Sidikou, parce que dans, de, toutes les mille manières, que vous dites votre opinion, que ça plaise ou pas, les gens auront toujours à dire quelque chose. Donc nous, attend, nous allons attendre de voir euh, comment est-ce que ça va se passer, ce redéploiement Est-ce que les zones qui sont affectées pourront, ces populations pourront vaquer à leurs occupations sans être inquiétées par le terrorisme Nous allons voir. Arumi ces forces étrangères ont été contraintes de quitter le Mali. Pensez-vous que leur arrivée au Niger pourra apporter un plus dans la lutte contre l'insécurité En fait, j'ai un petit problème mm. euh, parce que là, c'est la DPG du gouvernement, donc euh, la politique de la déclaration de politique générale mm-hmm. du gouvernement, qui a été revotée. Or, mhm. le Premier ministre n'a pas quand même euh, démissionné. Il n'est pas n'a pas été rappelé à nouveau après une démission ou après avoir euh, fait quitter son gouvernement. Moi, c'est ça qui, qui me casse un peu euh, la réflexion. Mhm. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas été fait normalement à ce niveau. Mhm. Barkhane sera là pourquoi les spécialistes disent que, en tout cas, le texte, parce que ce n'est pas dans la déclaration de politique générale du gouvernement qu'on met. Normalement, la venue d'une troupe étrangère doit faire l'objet d'une convention entre le Niger et ce pays-là. Mm. Et c'est cela que les députés vont accepter ou pas. Mais là, là, on nous a euh, réchauffés euh, une euh, déclaration de politique générale qui existe déjà, qui n'a où il n'y a pas d'enjeu. Déjà, Oumoudou est Premier ministre mhm. et il est là. Euh, peut-être il va faire mhm. comme Birgi, je ne sais pas. Et puis voilà. Mais donc, on doit nous dire normalement, Barkhane, oui, ils ont quitté le Mali. On ne sait pas la convention qu'il y a eu entre l'État malien et la France avant, mhm. mais ils vont venir s'installer chez nous. Quel sera leur objectif Qu'est-ce qu'ils vont nous faire leur cahier de charge. <laughs> c'est quoi Et aussi, euh, par rapport à des actes qu'ils auront à commettre, parce qu'on sait les opérations militaires, n'est-ce pas Quel sera le comportement du Niger À quoi nous, Nigériens, on doit s'attendre Tout ça, il n'y a rien. Ce que je reprocherais, par contre, euh, les spécialistes disent que mhm. normalement, ce n'est pas de cette manière que ça doit se passer. Donc, ce que je reproche aux députés de l'opposition, mhm. pourquoi ils n'ont pas amené ça au niveau de la Cour n'est-ce pas dire que non, ils pensent que ce, cette requête du gouvernement n'est pas, pas recevable à leur niveau, ou bien ils pensent que ce n'est pas comme ça que ça doit se faire. Donc moi, je pense que c'est un faire-valoir. Enfin, euh, nous allons parler euh, du sport. Le président de la République, Bazouma Mohamed, s'engage à prendre en main la gestion du football à travers la création d'un centre académique de football. C'était lors d'une rencontre avec euh, les acteurs sportifs pour trouver des voies et moyens pouvant contribuer au développement du sport au Niger. <laughs> Moi, sincèrement, euh, j'ai déjà au niveau <laughs> de mes pages de réseaux sociaux, j'ai eu à dénoncer et à nuancer euh, cette activité. Mhm le président, oui, c'est bien. Moi, je suis très fier du, que le président, parce que nous, amateurs du ballon, euh, on se trouve un peu écartés euh, de la vie de, la nation par les différents, beaucoup de présidents qui se sont succédés. Mm-hmm. Mais du coup, le président Bazoum montre assez d'intérêt mm-hmm. et ça nous réjouit. Mm-hmm. Euh, mais il y a des propositions qui sont faites que je trouve sincèrement farfelues. Euh, c'est cette question de la création d'un centre technique au niveau de la Fédération nigérienne, mhm. du centre de la Fédération mhm. nigérienne de football. Je trouve que ça n'a pas sa raison, sa raison d'être. Ce n'est pas la vocation d'une fédération de créer un centre technique. Un centre de technique doit être pour le privé. Parce que son principal produit, c'est le joueur. Mhm. Quand le joueur est formé dans un centre, c'est le centre qui s'occupe, n'est-ce pas, de sa vente, malheureusement on parle comme ça en matière de joueurs de, football, et de son suivi. Une fédération n'a pas le droit de vendre euh, un joueur, n'est-ce pas Sinon qui va encaisser l'argent n'est-ce pas Et donc c'est de donner la possibilité aux centres qui existent déjà, mhm. euh, qui malheureusement sont tirés par le bas, par le manque de moyens. C'est le moyen qui pose problème. Il y a l'Acha Academy, euh, il y a Saka, il y a Agadez. Depuis longtemps, Fred euh, a créé un centre. À Maradi, il y en a. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe C'est que les gens n'ont pas assez de moyens. Parce qu'il faut des formateurs de qualité, il faut un cadre de qualité, vraiment un terrain de jeu de, qualité. Euh, moi, j'ai visité le centre de ASEC d'Abidjan, béni C'est tout un monde. C'est tout un monde. J'ai vu la chambre où euh, Yaya Touré a grandi, où Bakari Kone a grandi. Et aujourd'hui, les chambres là portent leur nom. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. Oui, n'est-ce pas Mais la fédération ne peut faire que la promotion du football de jeunes. Le football de jeunes doit être l'apanage des clubs, des centres de formation. Moi, je, je comprendrais bien que la fédération demande à l'État du Niger de soutenir un ou deux centres à Niamey, mhm. un ou deux centres à l'intérieur du pays, n'est-ce pas Qu'on donne les moyens aux promoteurs d'aller voir partout au Niger les petits enfants qui ont quelque chose La qui petit, n'est-ce pas Ils détectent les talents, mhm. ils les forment. S'ils les forment et que on vend au moins deux, trois, quatre joueurs, même dans cinq ans, je vous assure, ça fait partir le football nigérien à plus jamais. Aujourd'hui, au Burkina, on a vu, ça, ça, marche assez bien à cause de ça. Et d'autres ont créé. Moi, quand j'ai vu euh, un reportage sur le football de jeunes au Sénégal, mm. euh, je, disais à mon collègue à l'époque, j'ai dit, dans 10 ans, dans 15 ans, on ne verra pas le, on, ne se rapprochera pas du Sénégal. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Sincèrement, mm. laissez le club qui existe déjà. Mm-hmm. Parce que les clubs ont l'obligation dans les texte de la FENIFOOT même d'avoir toutes les catégories de jeunes. N'est-ce pas Et les clubs doivent former ces joueurs-là, non seulement pour renflouer leur équipe A, mais aussi pour vendre. Si on ne leur donne pas cette possibilité et que c'est la fédération, les joueurs vont à à qui Il y a ce qu'on appelle carte d'identité du joueur. Le joueur, il est passé où Depuis son début jusqu'à l'âge de 18 ans. N'est-ce pas Donc, à quel niveau de contribution euh, que tel club ou les clubs là où il est passé ont contribué à sa formation. Et selon la formation, que ce soit en Afrique ou en Europe, le joueur, à chaque fois qu'on le vend, on rembourse au club formateur hmm. ce qu'ils ont donné. Donc tout ça, la fédération, qu'est-ce qu'elle va faire avec ça Elle a assez de moyens, je suppose, avec ce que la FIFA leur donne, la prise en charge de l'équipe nationale par le gouvernement. Et donc vraiment, il faut mettre de côté ils n'ont qu'à s'occuper de la mise en place des équipes U13, U17, U18, U20, n'est-ce pas C'est ça le rôle de la fédération. Et les clubs, malheureusement, je constate qu'ils ne font que subir. Et ça ne doit pas se passer comme ça. Mhm. Maintenant, euh, il y a un autre aspect. Je sais que les supporters, eux, ont demandé à ce que les équipes nationales soient transférées mhm. au niveau de la, présidence de la République. Moi, j'ai déjà commenté à son mhm. temps je leur ai dit que ça ne peut pas se passer comme ça. Il y a un ministère de tutelle qui est là, mhm. n'est-ce pas Il y a quelque temps, le président de la fédération a fait une euh, conférence de presse ou un truc comme ça, en tout cas, sur plusieurs télés pour dire que non, euh, ils ne s'entendent pas avec certains cadres du ministère, il y a des gens qui leur mettent le bâton dans la roue. Mais si vous vous comportez de cette manière, c'est normal. Parce que ils ont été formés pour ça, les cadres du ministère. Ils ont été, ils sont payés pour ça. Mais aujourd'hui, on veut prendre leur euh, occupation leur, pour, ramener ça au niveau de la, présidence. Bah, écoutez, ça n'a pas de sens. Un président n'a pas créé un poste ministériel pour que il fasse en même temps son travail. Mhm. Ils m'ont dit non, c'est pas comme ça. C'est pourquoi il y a plusieurs projets au niveau du ministère. J'ai dit c'est des projets non seulement euh, qui tiennent à cœur le président, ça a fait l'objet de campagnes, ça a fait l'objet de plusieurs euh, déclarations. Ce n'est pas du jour au lendemain. J'ai dit si c'est comme ça, on prend tout, on amène à la présidence, on ferme tous les ministères et puis c'est fini. Vraiment, qui n'auront plus leur, raison d'être. Il faut vraiment avoir mhm. l'humilité de se soumettre au cadre que l'État a mis en place. Normalement, une fédération, son interlocuteur, ce n'est même pas le ministre, c'est le directeur de sport. Mhm. N'est-ce pas Il y a un directeur national de sport et c'est par lui que ça doit se passer. Et je pense que, euh, je connais les personnes qui s'occupent de ces choses-là, si c'est fait dans les règles de l'art, il n'y a aucun problème que ça se déroule autrement. Mhm. Donc vraiment... Euh, le football, oui, c'est le chouchou du président, mais vraiment, ayons, jouons bas à terre. Bon, madame, euh, après que le spécialiste euh, a pu être assez intéressable et nous a <laughs> édifié, mais tout de même, puisqu'il va falloir placer le mot, on va le placer. Mhm. vous savez, euh, c'est vrai, le football, il faudrait certainement qu'il sorte des sentiers battus et ce ne serait possible qu'avec l'implication pleine et entière de tous les acteurs. C'est là où je vraiment je serai d'avis avec Armi euh, cette création de centre technique là le coach va être biaisé je aussi parce que honnêtement par là il faut il y a les acquis maintenant c'est donner les moyens à, à, l'existant mhm. que sont ces différents centres-là un peu partout à, l'intérieur du pays, euh, ici même à Niamey, c'est de les mettre dans les conditions. Moi, je pense qu'en agissant ainsi euh, et en créant cette synergie avec tous les acteurs, les différents acteurs du domaine, euh, je pense qu'on pourra être amené à sortir la tête de l'eau. Il ne faudrait pas qu'on rêve grand et que, euh, in fine, la montagne accouche d'une souris, qu'on revienne à la case départ. Là, je pense que ce serait trop de moyens, trop de temps perdu. Donc, faisons les choses dans les règles de l'art. Mhm. Ne transgressons pas les, les, dispositions à la matière. Et je pense que il faut écouter les avis, surtout de ceux qui s'y connaissent, pour que véritablement notre football qui n'a casser, visiter dans cette léthargie puisse prendre euh, de l'envol. Parce que, honnêtement parlant, je reste et demeure convaincu que on n'a rien à envier aux pays qui nous entourent ou en ce moment leur star ou bien leur football, leur euh, ont la côte. Nous avons des jeunes pétris de, talent. Mhm. C'est là où aussi je veux tablerai beaucoup sur la détection euh, des jeunes talents. Il n'y a pas que la capitale il y en a en pagaille et demi, comme dirait l'autre, euh, excusez-moi du mot, surtout à l'intérieur. Moi, je mhm. pense qu'il faut impliquer, il faut écouter et il faut vraiment prendre en compte les avis des uns et des autres. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Moi, je pense que l'État mhm. peut faire un avis d'appel d'offres. N'est-ce pas Les gens vraiment objectivement choisissent les meilleures propositions, n'est-ce pas L'État accompagne pendant un certain temps avec obligation de résultat. Aussi, il a été annoncé que l'État va donner 100 millions au club mhm. pendant 5 ans, n'est-ce pas Que ça, là aussi, se fasse. Je pense que parfois, c'est mieux même que les centres centres. Et maintenant, au niveau des clubs, si l'État doit soutenir le football des jeunes, mhm. que ça soit directement fait avec les clubs-là, avec obligation de résultats, mais aussi avec la toute transparence qu'il faut. Il ne faut pas mhm. donner de l'argent pour que les gens se servent et laissent les enfants. Nous sommes au terme de ce forum de la presse du studio Kalangou. Nous étions en compagnie de Ousmane Sidikou, journaliste indépendant. Aremi Abachari, journaliste à la radio alternative, et Maimouna Gado, journaliste indépendante. Merci euh, aussi à toutes euh, les auditrices euh, et auditeurs. Téléspectatrices et téléspectateurs pour votre fidélité au programme du studio Kalangu. Merci à la technique qui est assurée par Abdoulaye Yakouba. La réalisation vidéo Issa Lawali et la présentation Fatih Zakari. Au revoir. Le programme continue sur le studio Kalong.